le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berningaouré, Tirozerine, Magaria, Mainasoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangu.org. La dépression, la dépression, une expression connue, mais difficile à identifier chez celles et ceux qui la font. En tout cas, les gens en parlent beaucoup, en parlent un peu au Niger. Pourtant, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur à tel point que l'OMS a retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de la santé édition 2017 le thème de la dépression. La dépression et le slogan est Parlons-en. Dans ce forum, nous allons en parler en essayant de comprendre ce que c'est la dépression, même si schématiquement, c'est défini comme un trouble mental courant qui euh, touche tout le monde. Il y en a certains qui sont beaucoup plus exposés que les autres. L'objectif de la célébration de cette journée est de sensibiliser l'ensemble de la population sur les facteurs de risque de dépression. Dans son adresse au public, à l'occasion justement de la Journée mondiale de la santé 2017, le ministre de la Santé publique, euh, Dr Idi euh, Menassara, a précisé que dans le monde, 300 millions de cas de dépression ont été enregistrés, avec une augmentation de l'ampleur de la situation de l'ordre de 18% entre 2015 et 2017. Et d'ajouter, la dépression constitue un problème de développement pour les pays pauvres comme le Niger, un problème de santé publique. Elle conduit même au suicide. Le suicide annonce-t-il euh, deuxième cause de décès chez les jeunes de 15-29 ans c'est quoi la dépression, comment connaît on quelqu'un qui a la dépression, pourquoi il est ainsi, quelles sont les principales causes, pourquoi parle-t-on très peu de cette maladie, quelle est son ampleur, quelles sont les couches les plus exposées, quelles sont les conséquences sur l'entourage ou le travail de celui qui a la dépression. Comment traite-t-on une dépression Peut-on parler de prévention pour cette maladie et comment La dépression, pour mieux en savoir, nos invités le professeur Douma Maïga Jibou, médecin-chef du service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey. Bonjour professeur. Bonjour. Et il y a aussi M. Sidouk Amadou, psychologue au service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey. Merci M. Sidoukou. Merci. la dépression, euh, professeur, euh, je n'ai pas défini le terme. Je ne sais pas quel est le, verbe qui vient. Peut-on parler de déprimer quelqu'un qui a la dépression Sinon, d'abord, la première la définition de la dépression, c'est quoi La dépression, c'est une maladie mentale. Contrairement à ce que beaucoup pensent, dans le... quel que soit le degré. Ce que les gens pensent, c'est que dépression égale maladie mentale. Il ne s'agit pas de ça. Dépression est une forme de maladie mentale. Les maladies mentales, il y en a plusieurs sortes. C'est une des maladies mentales, la dépression. Et ça, c'est important à cerner parce que vous entendez en ville, les gens disent il a fait une dépression. Alors, c'est simplement pour dire qu'il a fait une maladie mentale. Or, ce n'est pas synonyme. Il y a une différence entre la les maladie, La maladie mentale, il y a plusieurs sortes de maladies mentales. Et parmi ces maladies mentales, il y a une qui s'appelle la dépression. Alors c'est quoi la dépression Pour faire simple, la dépression c'est la forme maladive de la tristesse. Une tristesse, quelle qu'elle soit. Oui, malade, la forme maladive. Une tristesse est une, est une situation normale. Dans la vie, la tristesse fait partie de la vie de tout individu. Mais la dépression est la forme maladive de la tristesse. Vous savez, ce que tout ce que Dieu fait, la forme normale existe et les formes anormales existent. La tristesse, est une émotion normale. Tout comme la joie. Tout comme la joie, tout comme les pleurs. Maintenant, quand la tristesse revêt certaines caractéristiques, eh bien, elle devient une maladie. Et ça s'appelle la dépression. Ces caractéristiques-là, lesquelles sont-elles C'est une tristesse qui, qui dure depuis plus de 15 jours. La personne est constamment triste. C'est une tristesse qui n'est pas sensible aux variations de l'environnement. Dans une tristesse normale, dès que les choses s'arrangent, la joie revient. Mais dans la dépression, la tristesse n'est pas sensible aux variations de l'environnement. Vous allez être triste, quel que soit euh, ce que vous vivez pendant ce temps-là. Vous pouvez, je sais pas, avoir euh, eu un bébé, demeurer triste, avoir eu de l'argent, demeurer triste, être entouré par toute la famille, demeurer triste pendant plus de 14 jours. Cette tristesse s'accompagne d'idées, d'idées de, de persécution. On a l'impression que les gens ne vous aiment pas. ne vous pas, qu'on vous en veut. Même s'ils vous donnent l'argent, même s'ils vous donnent euh, on voit toujours, ce que vous voulez. Voilà, on, voit toujours le côté négatif de tout quand on est, quand on est en état de dépression. On a tendance, chez l'Africain, il y a les idées de persécution. On a tendance à avoir une vision triste de la vie. Bref, tout est triste. Tout est triste. Et forcément, euh, le résultat, si on ne fait rien, c'est peut-être que la personne va commencer à élaborer des idées de mort, des idées de suicide. Parce que la vie, la vie est vue à noir. C'est ça la dépression. cette définition euh, pour nous tourner vers M. Sidikou. Euh, dans l'environnement, comment la, la dépression est, perçue et merci. Dans l'environnement social, bien sûr. Oui, dans l'environnement, comme il l'a dit, euh, il y a d'abord la tristesse. On dit qu'il y a une tristesse pathologique. Et parfois, euh, encore, il y a un ralentissement psychomoteur. Donc la personne, elle est lente dans ses gestes. Et il y a une souffrance morale qui l'a conduit à se retirer. Elle est toujours en retrait. Parfois, il y a les pleurs. Parfois, il se résigne. Pour lui, il n'est bon à rien. Donc, et ça, ça fait appel aux idées de suicide. Comme je suis, je ne suis bon à rien. Je suis en train de fatiguer les gens. Donc je me retire. Et puis s'il y a possibilité de se tirer, de se donner la vie, tout est en noir. Donc dès, vous, que vous voyez ce type de personnes, vous concluez qu'il y a la dépression. Oui. Dès qu'on on dit que déjà il y a les éléments dépressifs et il faut donner, il faut, il faut prendre en charge. Mais vous ne pouvez pas cerner tout d'un coup que celui-là a la dépression, non Bon, il faut, comme il a dit, dès le premier contact, par exemple, dès le premier contact, bon, parfois si tu écoutes la personne, tu peux cerner, parce que quelqu'un qui est déprimé, y a une tristesse, dès que tu commences à parler avec lui, il y a les idées là qui viennent et il y a les pleurs. Donc, tu vas avoir tu vas voir qu'il y a des éléments dépressifs. Professeur, euh, comment est-ce que ici au Niger la, dépression est un fait, non euh, bien sûr, bien. sûr qu'elle existe la dépression. Même si on en, parle peu. Euh, je ne sais pas si on en parle dans le monde médical, la dépression existe. Et, le plus souvent, au service de psychiatrie, nous ne voyons pas les personnes déprimées parce que simplement la population ne considère pas ça comme une maladie. Voyez-vous C'est-à-dire, ce qu'on considère comme une maladie ici, en général, et qui amène les personnes à consulter en psychiatrie, il faut que la, symptomatologie soit au point de perturber la vie de groupe ou par une agitation, le patient est agité, ou par une violence, ou un certain nombre de... En ce moment, on prend la personne manu militaire et on l'amène en psychiatrie. Mais la dépression, ce n'est pas ça. Le plus souvent, c'est une personne qui est ralentie, qui n'a envie de rien faire, qui est triste, qui à peine ouvre la parole pour parler. Voyez-vous recevez beaucoup de cas ah, Dans les, médecins généralistes en voit sûrement beaucoup. Nous, en service de psychiatrie, on n'en voit pas beaucoup, mais en service privé, on voit beaucoup de personnes déprimées. Voyez-vous Les gens ont tendance à penser que ces personnes-là rêvent simplement de conseils. En disant, oh, c'est ressaisis-toi, ça va aller. Or, une des caractéristiques de la maladie, c'est que ces personnes ne sont. L'humeur n'est pas sensible aux variations de l'environnement. Donc, les conseils ne passent pas. Ta vie est vue de façon arrêtée, triste et noire. Qui sont exposés à la dépression Tout le monde y compris les journalistes, nous, <laughs> tout, le monde. tout le monde. La dépression n'est pas une personne. La dépression n'est pas une personne. Maintenant, il y a certaines catégories socio sociales qui sont un peu plus exposées que d'autres. Ceux qui sont exposés, on dit les couches euh, sociales, socio-économiques faibles. C'est un facteur. Les pauvres. Les pauvres sont les euh, des personnes vulnérables à pratiquement toutes les maladies, y compris à la dépression. Les personnes qui souffrent euh, de les personnes qui vivent des situations existentielles difficiles, que ce soit professionnel, vous êtes euh, dans un environnement où on exige de vous un rendement, on met la pression, vous êtes vulnérable à la dépression. Vous êtes dans une famille où il n'y a pas la paix, le, couple se déchire, vous êtes vulnérable à la dépression. Vous êtes euh, vous aspirez à quelque chose, je sais pas, un, un bac, un, euh, un poste de travail, un diplôme, vous fournissez des efforts, ça n'aboutit pas, vous êtes vulnérable à la dépression. Vous avez une maladie chronique, un cancer, un VIH, quelque chose pour lequel le traitement est difficile ou ça ne vient pas, vous êtes vulnérable à la dépression. Même les bébés font de la dépression. Même les bébés. Même les bébés font Comment est-ce possible quand vous n'êtes pas pauvre, vous, savez, ne savez pas que vous êtes pauvre. vous savez, les bébés, la, la, richesse des bébés, c'est la relation entre les mères et les enfants. Quand vous avez un bébé bien portant et une mère euh, qui ne joue pas véritablement son rôle maternel, le bébé le ressent. Pas forcément alimentaire, mais affectif aussi. Donc le bébé le ressent, il pourrait faire aussi ce qu'on appelle la dépression du nouveau-né. Et comment ça se manifeste ça, se manifeste par une inexpressivité. L'enfant ne réagit plus à la, euh, aux sollicitations, il ne sourit plus. Il est euh, comme ça un enfant amorphe. Qui a vraiment besoin de quelque chose. Tout comme l'adulte devient amorphe quand. Oui, absolument. voilà. Ah, euh, monsieur Sidikou, la pauvreté, c'est synonyme de dépression. Hein. Oui, eh, avant de parler de la dépression synonyme de pauvreté, eh, je, parlerai un peu de la dépression chez le nouveau-né dont il a parlé. Mm. Et eh, c'est ce qu'on appelle la dépression anaclytique, Et c'est un dysfonctionnement de la relation mère-enfant. Et tant qu'il y a ce dysfonctionnement-là, il y aura la dépression anaclytique. Anaclitique, ça veut dire, ça vient du mot anaclitos, qui veut dire support. Donc si le support ne joue plus son rôle, ou bien si le support est absent, donc l'enfant va déprimer. C'est principalement la maman oui, euh, la, oui, la maman. Parce que euh, au tout début, c'est la maman qui est au premier plan. Donc c'est la maman. Et ce, ça se caractérise par des, enfants pleurnichards, qui ne peuvent pas se tenir, qui ne peuvent même pas tenir le cou. la tête est toujours comme ça. Donc euh, dès qu'on les, les fait asseoir, ils ne peuvent pas s'asseoir. Et ils continuent à pleurer. Donc ça, on peut penser qu'ils ont la dépression anaclitique. Voilà. Donc maintenant, pour venir les à... autres causes euh, comme la pauvreté, la, pression au niveau des services ou bien voilà. Oui, ça aussi c'est vraiment euh, des facteurs. Dans comme le Niger, on peut on peut le ressentir. On peut le ressentir parce que euh, s'il y a la pauvreté, tu n'arrives plus à, à assurer tes besoins. Donc tu vas te dire que ma vie est faite pour quoi Je suis venu pour souffrir. Donc au lieu de souffrir, vaut mieux mourir parce que je ne suis bon à rien, je ne peux aider personne et je fais souffrir les gens. Donc il y a déjà les idées de la dépression et ça peut même conduire au suicide. Hmm. Donc ces idées noires peuvent faire appel au suicide. Donc déjà, si quelqu'un commence à parler de ces genres de situations ou de ces genres d'idées noires, de suicide, c'est déjà une urgence psychiatrique. Est-ce que vous avez des chiffres pour la dépression ici au Niger, par exemple Ici, on a vu avec l'OMS 300 millions de cas. Euh, et malheureusement, ça s'aggrave. Hein, les deux dernières années, 18% entre 2015 et, 2017. Mais, de façon générale, c'est 300 millions de cas. C'est ça. Au Niger, est-ce qu'il y a des données qui attestent de... Les, données que nous avons sont des données, même au niveau du pavillon, des données parcellaires. Je vous donne un exemple. Nous avons conduit une étude sur des femmes qui viennent d'accoucher. La dépression est une des, maladies qu'elles font après accouchement, les femmes. Alors nous avons, euh, dans cette étude, nous avions trouvé que 80% des femmes que les maternités nous envoyaient, elles nous les envoyaient et le diagnostic qu'on posait chez elles était la dépression. 80%. Concernant ce groupe de femmes malades que les maternités envoient les femmes enceintes Non, femmes accouchées qui tombent malades. 80% de ces femmes qu'on reçoit, font un état dépressif. Les autres font d'autres, les 20% font d'autres types de maladies, mais les 80% font un état dépressif. C'est les chiffres formels que nous avons. Mais ce que nous pensons, c'est que la dépression est sous-diagnostiquée dans nos structures de santé. Parce que ce n'est pas beaucoup d'agents de santé qui savent faire le diagnostic de la dépression. Et donc, à partir de là, il nous est difficile d'avoir des chiffres, sinon que les chiffres que je viens de vous donner, qui sont des chiffres spécifiques au pavillon. Pour le cas de ces femmes, quelles, en sont les causes Est-ce que c'est toujours les questions de pauvreté les questions... Vous savez, pour les maladies mentales en général et la dépression en particulier, il n'y a jamais de relation de cause à effet. On ne peut pas dire que c'est tel c'est la pauvreté elle seule qui a été responsable de la dépression. En général, c'est un, ensemble de facteurs qui se conjuguent. On va trouver, il y a la pauvreté, on va trouver qu'il y a la malnutrition, on va trouver qu'il y a des difficultés de relation. Euh, donc, il y va trouver qu'il y a des facteurs de personnalité. Tous ces facteurs-là vont faire en sorte qu'un individu fait la dépression. Parce qu'à un certain moment de la vie, il y a eu un autre facteur dur déclenchant qui vient déclencher la maladie. Donc, les facteurs là, ce sont des facteurs étiologiques, ce ne sont pas des causes. C'est deux choses différentes. Quand on parle de cause, c'est que c'est ça qui a été à la base de ça. il s'agit de facteurs, des choses qui contribuent à la création de cet état dépressif. Euh, ce, qui, ce qui est fréquent, ce qu'on voit dans le cas de, de du dans le cadre professionnel ou dans le cadre, c'est l'épuisement, qu'on appelle la dépression d'épuisement. Quelqu'un qui est pauvre et qui fournit des efforts, qui fournit des efforts, qui fournit des efforts, et ça ne donne pas dans un environnement hostile, à un certain moment, les ressources humaines pour fournir ces efforts ne sont pas inépuisables. Et eh bien, à un certain moment, on est au bord du désespoir. La tristesse s'installe, elle dure plus de 15 jours le, ralentissement, c'est-à-dire le corps ne peut plus rien faire, on a envie de rien, on a une vision pessimiste et noire de la situation. Et s'il il n'y a pas de traitement, imaginez quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. Va-t-il manger Il ne mange pas. Il ne s'occupe pas de ses habits. Il ne se lave pas. Il est donc vulnérable à d'autres maladies. Il ne se protège pas contre les moustiques parce que tout est, noir. Voilà, même s'il ne se suicidait pas, eh bien, les complications, parce qu'il ne fait plus d'efforts pour s'entretenir, eh bien, il est vulnérable à beaucoup de maladies, ne serait-ce que par rapport à l'hygiène, les infections, ne serait-ce que par rapport à l'alimentation, il ne va plus manger, il ne va pas dormir, parce que ça tourne dans sa tête. Oui, mais euh, ça, c'est découvert qu'il recevait des, de ces, de gens la première des choses, c'est qu'est-ce qu'il faut faire C'est les médicaments ou il faut mettre l'accent sur la psychologie la première des choses, il faut d'abord écouter la personne. Si on a un cas de dépression, on écoute d'abord la personne s'exprimer. Parfois, en s'exprimant, il peut avoir un soulagement. Mais si, malgré l'écoute active qu'on a, on a fait aux patients, si ça n'arrive pas, maintenant on fait recours au psychiatre qui vont prescrire euh, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Maintenant, et comme il a dit, on n'a pas de données parce que la population considère toute maladie mentale comme une dépression. De sorte que s'ils viennent, parfois c'est au niveau euh, des médecins qu'on diagnostique que non, c'est même pas ce qu'eux ils ont pensé, mais c'est une sorte de dépression qu'il est en train de faire. Maintenant, on l'envoie chez le psychologue, le psychologue écoute si malgré les entretiens psychologiques, ça n'a pas résolu le problème, c'est en temps-là que les psychiatres vont le prendre en charge en administrant un traitement médical, un, traitement chimiothérapeutique. Mais généralement, pour ceux-là que vous recevez, qu'est-ce qu'ils reçoivent Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils disent Bon, et comme le professeur l'a dit, il y a l'environnement qui est pathogène. Et je vais prendre par exemple un exemple. Une femme qui accouche et que le baptême ne s'est pas passé comme elle le voudra. Il y a beaucoup de manquements pour cause de pauvreté. Et pas comme ses autres amis ont fait leur baptême comme ça, elle n'a pas pu faire son baptême comme ça, ça peut lui donner, il peut elle peut ruminer beaucoup de choses par rapport à ce baptême et ça peut conduire à une, un exemple de dépression. Donc ça arrive fréquemment. Donc la majorité, parfois des, des femmes qui ont la dépression, surtout à l'accouchement, parfois c'est dû à un problème de l'environnement. Si par exemple dans l'environnement, avec dans le couple, il y a un, déficit de communication, ça peut provoquer une dépression. Mais les gens, les gens ne connaissent pas beaucoup sur ça. D'accord. On va, revenir sur le côté peut-être prévention et puis prise en charge. Ah, le temps d'écouter euh, euh, Monsieur Grégoire Bonon, c'est un Béninois qui a beaucoup travaillé avec les malades mentaux, qui en a participé à la réinsertion il nous explique son entendement de la dépression et fait la différence entre l'Europe et l'Afrique. Mais la dépression, la dépression, effectivement, il y a beaucoup de, personnes qui, à cause de la dépression, vont se suicider. Même, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout dans le monde. Et il y a beaucoup plus de dépression, même, je dirais, en Europe. C'est pourquoi je dis que l'Europe, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de suicides en Europe que l'Afrique. C'est vous dire que la dépression, c'est beaucoup aussi dans ces pays développés. Et pourquoi ce n'est pas développé en Afrique Bon, écoute, euh, la dépression aussi existe en Afrique, mais et, en Europe, vous savez, la vie européenne, lorsque vous n'arrivez pas à rentrer dans, dans, dans, la production européenne, comme on le dit, mais vous-même, vous êtes perdu. Et c'est ça qui cause beaucoup de, c'est ça qui explique beaucoup de dépressions en Europe. Je c'est l'impression que j'ai. Hein, D'accord. c'est moi qui le dis. C'est pas. Euh, il faut dire que si en Europe vous n'êtes pas productif, mais ça, vous êtes. Euh, comme je, l'ai dit ici, euh, je l'ai dit un jour en Europe, hein, j'ai été dans un centre où sont les malades, les malades qui sont rétablis et qui vont dans des, dans des ateliers et protégés, comme on le dit, qui sont surveillés par des psychologues et autres. J'ai fait une, conférence avec eux où ils ont vu des malades enchaînés, ils ont vu des malades et euh, qui travaillent. Mais deux, deux choses que je retiens dans cette rencontre, c'est que pour eux, en voyant la chaîne que portaient les malades ici, pour eux aussi, c'était les mêmes chaînes. Et ce qui, ce qui m'a beaucoup marqué, il y a d'autres qui disaient, voilà, en Afrique, des malades qui travaillent nous, ici, on paye pour ne pas déranger. Et j'ai dit, la meilleure forme de, de tuer un homme vivant, c'est de le payer à ne rien faire. C'est une maladie du cerveau, c'est pas quelqu'un qui est la cause. Ici, en Afrique, rapidement, on voit toujours quelqu'un qui est la cause du mal de l'individu. J'ai dit non, je regrette. Et que je vous l'ai dit la dernière fois, moi aussi, j'étais pareil, j'étais pareil comme tout le monde. Je voyais les fonciers, je voyais possession par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, après euh, plus de 20 ans d'expérience, j'ai compris que on vit beaucoup de, l'ignorance. Hein? Il n'y a rien de sorcellerie, il n'y a rien de possession dans la dépression. Écoute, euh, il y a, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais lorsque la dépression arrive à quelqu'un, il je regrette que si la personne ne se soigne pas, mais il ne va jamais se retrouver. Mais justement, la société, vous savez, la société fabrique beaucoup de malades. Et malheureusement, il y a beaucoup de malades qui sont ignorés. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression et qui ne le savent pas. Voilà, nous venons de suivre euh, M. Grégoire Agbouno, un béninois, qui s'est engagé dans la cause des malades mentaux. Euh, professeur, euh, il y a des termes forts qui reviennent, dépression et suicide, et puis la, la, la comparaison entre l'Europe et l'Afrique, et puis le terme ignorance justement dans la prise en charge de la maladie. Quelle est la différence entre la dépression et le suicide Est-ce que les deux sont les mêmes les deux ne sont pas les mêmes. La dépression est une. Du moins, la preuve, le, second est-il la... cause de, la première C'est ça. Le, le, suicide est une complication, une des complications de la dépression. Vous voyez, toute maladie peut se compliquer. Le suicide est une des complications de la dépression. Et le suicide, c'est quoi C'est l'action de se donner la mort. Et là, on comprend bien l'action de se donner la mort parce que la vie est noire et elle ne vaut plus la peine d'être vécue. Et en ce moment commencent les idées suicidaires jusqu'à euh, plan suicidaire et puis euh, suicide. La dépression en Afrique, la dépression en Europe, même définition, tableau clinique un peu différent. En Afrique, quand les personnes sont déprimées, la différence c'est qu'ils ont des idées de persécution. En Afrique Oui. Ils ont des idées de persécution. Euh, ils pensent que tout le monde... L'entourage ne les aime pas. Voilà, Entourage n'aime pas, tout le monde m'en veut, voilà. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect euh, de, la, de, la, de la dépression en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de plaintes somatiques. C'est-à-dire les gens se plaignent D'ailleurs, ça doit être un signal d'alarme pour tous les agents de santé. Dès que quelqu'un vient, il se plaint de douleurs par-ci, par-là, de, de symptômes qui sont compliqués à comprendre. N'importe quel agent de santé doit penser à une dépression et chercher les autres éléments pour faire le diagnostic. Alors, différence, idée de persécution, plainte somatique. En Afrique. En Afrique. En Europe, ils n'ont pas d'idée de persécution, ils ont des idées de culpabilité. Par rapport à quoi Par rapport à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont responsables de leur tristesse, de leur malheur. Or, nous, nous, nous pensons que la tristesse nous vient, c'est parce que qu'on ne nous en veut pas, c'est parce que ceci, mm-hmm. eux, ils ne projettent pas ça sur l'extérieur, c'est sur eux, ils pensent que la tristesse, là, ça vient d'eux, que c'est parce qu'ils ne valent rien, ils sont inutiles, voilà. Alors que nous, ce n'est pas comme ça. secondairement, là-bas, il n'y a pas de plainte somatique telle comme les, douleurs. Voilà, la différence sur le plan tableau clinique. Maintenant, sur le plan environnemental, la dépression, elle existe partout dans le monde. Elle est aussi fréquente en, Europe, même, même plus fréquente. Et elle se complique souvent du suicide en Europe. Si en Afrique, il n'y a pas beaucoup de il le, suicide existe comme complication de la dépression, mais beaucoup moins en Europe. Pourquoi Tout simplement parce que le groupe social est encore présent. En Afrique. Même si dans les grandes villes on voit que ça s'effrite, mais l'entraide est là, les gens sont à l'écoute. Et ça, c'est un c'est un facteur qu'il faut promouvoir parce que ça permet de, de de diminuer l'ampleur de la dépression chez une personne et même de prévenir la dépression. Disons que ça permet de prévenir le suicide. Voilà, mais ceci du coup, nous allons surtout parler du cas de l'Afrique, peut-être du Niger, sur euh, les, causes un peu expliquées, comme l'ignorance, comme euh, un peu les facteurs symptomatiques, non, hein, professeur Voilà. Oui, les facteurs euh, symptomatiques, c'est comme il l'a dit, et Grégoire aussi l'a dit, euh, en Afrique euh, ou bien au Niger, le mal n'est pas à moi, il est à l'autre. Donc c'est l'autre qui m'a jeté un sort, ou bien c'est parce que j'ai traversé une, euh, un espace à telle heure, c'est pourquoi ça m'est arrivé. Ou bien c'est parce que les gens m'en veulent. Donc voilà les idées de dépression chez nous ici. Alors que, et à les plaintes somatiques aussi. Il y a les plaintes somatiques. et d'autre part, et la façon dont nous nous constatons ici, surtout dans les centres de santé, vous voyez par exemple quelqu'un qui part à l'hôpital, on fait les examens, tous les examens, on fait un bilan et la souffrance n'est pas finie. Et les examens n'ont rien vu. Tout est normal. Donc ça, il faut penser déjà aux plaintes somatiques qui sont liées à une dépression. À ce niveau-là, le professeur a un peu parlé des responsabilités sociales, du rôle de la société. Bon, le rôle de la société, c'est ça aussi, le soutien social que nous, nous avons ici, qu'il n'y a pas en Europe. Peut-être en Europe, tu es seul devant ta télé, même s'il y a un problème, il n'y a pas d'expression. Alors qu'ici, les gens t'assistent. Prenons un exemple de quelqu'un qui a perdu un être cher. Les gens l'accompagnent tout le moment de du deuil. Donc, ça l'évite de déprimer, surtout si euh, le défunt, vraiment, c'est un être cher, c'est son soutien même, c'est son support et les gens viennent l'assister, on parle, on rumine par rapport au décès, on raconte beaucoup de choses par rapport au décès, et ils continuent à ruminer jusqu'à ce que ces idées dépressives, la sortent. Et ça, vraiment, c'est une prise en charge sociale, du groupe social. Donc ça, ça, aide beaucoup à prendre la dépression en charge. Professeur, on va parler des conséquences. On a déjà parlé du suicide. Quelles sont les autres conséquences pour euh, les malades dépressifs euh, à un certain niveau euh, La première conséquence, c'est d'abord l'incapacité vous savez, toutes les maladies ont des conséquences économiques. Un chef de famille qui fait une dépression, qui ne, un chef de famille qui fait une dépression, qui ne travaille plus, imaginez le revenu comment ça baisse. Donc, conséquences économiques. Incapacité que ça, ça installe pendant le temps de la dépression qui va durer tout le temps sans traitement. Deuxième conséquence, c'est les relations intrafamiliales et sociales. La dépression altère les relations intrafamiliale et, social sociale et professionnelle. Troisième conséquence, sur le plan physique, je vous ai dit, ça entraîne une déchéance physique. Parce que le corps et l'esprit font un. Si l'esprit ne va pas bien, le corps en empathie. Donc, déchéance, malnutrition, euh, toutes les maladies somatiques peuvent s'installer. Et conséquence ultime, suicide, qui peut intervenir à n'importe quel moment de l'évolution de la dépression peut-être jusqu'à la mort. En tout cas, pour le cas de nos pays, à, défaut de, suicide, c'est des situations comme ça qui se présentent. Chez nous, d'abord, c'est l'incapacité qui va être conséquence économique, difficultés relationnelles, intrafamiliales, professionnelles et sociales. Ensuite, déchéance physique. Et quand on dit déchéance physique, la porte est ouverte à toutes les maladies de, euh, de, de du corps comment sauver un tel, cas Un tel cas, il faut le sauver en le soutenant. Il faut le soutenir, il ne faut pas le discriminer. Donc, euh, s'il vient vers vous, il faut l'écouter. Vous l'écoutez, vous, vous, l'orientez aussi. C'est-à-dire, si vous l'écoutez et que vous avez compris son problème, maintenant, vous pouvez l'orienter. Oui, mais dans, nos pays, la prise en charge, c'est un peu difficile. On va revenir avec professeur. Mais quand ce, tous ces centres qui peuvent écouter n'existent pas, c'est encore plus grave. Oui, mais s'il n'y a pas l'écoute, si l'écoute. Et les populations sont un peu dans l'ignorance, ça a été souligné. Bon, si, il s'agit de la population, il faut faire une sensibilisation. C'est une sensibilisation qui peut résoudre ce problème. Effectivement, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup, notre population ne fait pas la différence entre la dépression et la maladie mentale. Et encore pire, on part par exemple euh, voir les, les, tradis praticiens et on, finit tout, toute la richesse là-bas. Et vous, alors ne pas, vous, ne conseillez pas la guérison, les, guérisseurs Non, ce n'est pas qu'on ne conseille pas. Si tu crois à la personne, si tu, tu fais un, un, soulagement, mais ça ne va pas finir ça ne va pas finir. C'est toujours provisoire. C'est plus provisoire. Le traitement traditionnel Voilà. Donc maintenant, il faut que la population soit sensibilisée par rapport aux signes de la dépression. Dès que vous voyez ça, les centres de santé sont là pour vous aider. Je pense que c'est cette façon on peut aider euh, les gens à prendre en charge la dépression dans les familles. On parle aussi de discrimination, de stigmatisation, justement à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement quel conseil à ceux qui nous écoutent, par exemple D'abord, eh, nous, on fait une différence entre la dépression pure et la maladie mentale. Parce que la dépression, on dit que c'est un trouble de l'humeur. Il y a la tristesse qui est au premier plan avec le retrait et le retrait social. Alors que le patient, il est conscient. Le déprimé, par exemple, ou le dépressif, il est conscient jusqu'à un certain niveau. Mais les malades mentaux dont on parle, eux, ils ne sont pas conscients. Donc, il faut eh, amener à la personne à comprendre que il n'est pas encore au stade de maladie mentale. Mais, mais, qu'il est malade. Mais qu'il est malade. Et il faut l'aider. Parce que d'habitude, il y, a beaucoup de déprimés qui cherchent la solution à leurs problème. En parlant peut-être aux gens. En parlant aux gens, en disant qu'ils sont malades. Euh, et parfois, on ne les comprend pas. Et ça aussi, c'est aussi une autre difficulté de la dépression. La personne, il, se sent malade, mais les gens ne comprennent pas qu'il est malade. Ils pensent que non, c'est pour avoir un bénéfice secondaire. Ou bien c'est parce qu'il ne veut pas travailler. Le rôle de la société est très important. Très important. Et, parce que, et pour ajouter, c'est ce qui fait que chez nous, ici, il n'y a pas beaucoup de suicides. Parce que le groupe social et la société est là pour soutenir, contrairement à l'Europe, où tu es seul. Donc, dès que ces idées noires arrivent là, tu vas passer à l'acte, l'acte de suicide. La dépression conduit au suicide ou bien d'autres conséquences plus graves. Heureusement qu'on peut traiter la dépression alors, comment peut-on traiter cette maladie Oui, on peut traiter la dépression. Une fois que le diagnostic est fait, on s'est rendu compte que c'est la dépression. Nécessairement, il faut aller dans un centre de santé, vous conseillez euh, Ça dépend. Hein. Je pense qu'une fois que le diagnostic est fait, il faut savoir quel type de dépression c'est. Il, y a plusieurs, il y en a trois grandes catégories. Les dépressions légères, c'est du quoi on a parlé, pas besoin de traitement médicamenteux. Les dépressions moyennes et les dépressions graves, qui peuvent nécessiter et, des traitements médicamenteux. Et pour la dépression légère, il suffit simplement d'avoir une bonne écoute. Dépression légère, une bonne écoute, un environnement euh, avec une bonne écoute perceptible qui, qui, qui écoute, qui vient au soutien, ça peut suffire pour pour lever et stopper l'évolution vers la dépression légère et moyenne puis légère, puis grave. Maintenant, la dépression moyenne et grave, c'est d'abord traitement médicamenteux, surtout dans la forme grave, parce que à ce stade, aucun conseil ne passe. La vie est vue en noir et c'est des idées arrêtées. Il faut d'abord traiter pour changer, pour que la personne soit d'abord sensible et ensuite, premier volet, traitement médicamenteux, deuxième volet, traitement psychologique, et troisième volet, traitement social. Et à chacun des volets correspond un certain nombre d'actions à faire. Oui. Pour le traitement, la prise en charge, euh, l'aspect qui revient le plus, c'est le coût. C'est pas cher, du tout, du tout pas. Quand je vous, chez vous, euh, ah ben, quand vous venez chez moi, quand vous, quand vous, venez chez moi, journaliste, je, je vais vous prescrire peut-être euh, la boîte d'un médicament qui coûte allez, je crois, 7 000, 8 000 pour euh, deux semaines de traitement. Pour revenir après euh, pour, pour, faire le traitement pendant six mois au moins. C'est un coût, hein, professeur. Pas pour les journalistes peut-être, <laughs> mais pour les autres couches de la société. Oui, ça c'est. 7 000 francs fois 6. Oui, oui. Malheureusement, quand c'est une dépression grave, il faut passer par un traitement médicamenteux, ensuite les traitements psychologiques, ensuite les traitements, le traitement social. C'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres médicaments qui coûtent pas beaucoup cher. Donc, la boîte, une boîte fait, il y a 60 comprimés, ça fait un mois de traitement. Donc, six boîtes font les six mois. Et la boîte, je crois que ça doit tourner autour de 4000 la boîte. Voilà. le désavantage de ces médicaments-là, il n'y en a qui ont quelques effets secondaires, mais il vaut mieux ces effets secondaires que oui, de Mais pour les formes plus graves, là, là c'est encore plus. Pour les formes très graves, on les hospitalise. Ils sont hospitalisés le plus souvent. C'est ceux-là que nous voyons, parce qu'ils ont fait le tour. C'est ceux-là qui nous arrivent au pavillon, parce qu'ils sont à un stade où ils ont commencé à présenter des symptômes qui indiquent même à quelqu'un qui n'est pas médecin qu'ils sont malades. Et on les amène. En ce moment, eh bien, on les hospitalise et puis on fait le traitement par des injections pendant quelques temps et les choses rentrent dans l'ordre assez rapidement. Mais c'est du coup, euh, on va retourner toujours la, responsabilité des populations. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter quand vous êtes en face de vous quelqu'un qui est un peu dépressif Il faut l'écouter, il faut l'amener euh, vers vous. C'est-à-dire, il ne faut pas le rejeter. C'est que... eux qu'on trouve dans la rue en ce moment, non Non, pas, euh, pas fréquemment les qu'on trouve dans la rue, c'est les schizophrènes. Les déprimés, même s'ils ils sont, sont en retrait, mais peut-être dans la maison. Ils ne sont pas dans la rue. C'est tout de suite, je disais que c'est des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Mais ils, sont, ils ont une souffrance morale. Parce que leur vie n'est bonne à rien. C'est ça, ils se disent. Et parfois, même pour chercher de l'aide, ils pensent qu'ils ils tellement fatigué l'entourage, que maintenant, ce n'est même pas la peine de chercher. Donc c'est pourquoi c'est à l'entourage de faire un effort. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées sur le terrain justement pour que les gens comprennent Oui. La, responsabilité des acteurs, l'État, les ONG Oui, au début on avait parlé de, la sensibilisation. Maintenant, chacun à son niveau va faire ce qu'il peut faire, au niveau familial, au niveau communautaire et au niveau national. Donc pour amener ces gens à comprendre, à comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont un soutien et que les gens sont là pour les soutenir et pour les aider. Maintenant, c'est parfois, ce n'est pas eux qui font l'effort pour venir vers nous, mais c'est à nous de faire l'effort pour partir vers eux. Et là, c'est encore plus compliqué pour vous Bon, pour nous, pour nous c'est un peu compliqué parce que nous, on attend qu'ils viennent. On attend qu'ils viennent. Parfois, c'est la famille aussi qui ne veut pas amener. La famille ne veut pas amener, peut-être, ils préfèrent, comme je l'avais dit, d'aller chez un traitement traditionnel. C'est au dernier moment, dans la plupart des cas, la psychiatrie est le dernier recours. La psychiatrie est le dernier recours. Et comme le professeur l'avait dit, euh, la dépression euh, du, noir africain, ce n'est pas la même chose que la dépression en tant que telle en Occident. On, attribue toujours ça à un sort ou à, quelqu'un qui, qui, a fait ceci, quelqu'un qui a fait cela. Ce qui n'est pas fondé. Ce qui n'est pas totalement, c'est euh, toujours fondé. Mais il y a quand même des cas, vous voulez dire C'est une croyance. Comment faire pour prévenir cette maladie Beaucoup ne connaissent pas les de Comment peut prévenir La prévention de la dépression, de façon que la dépression, la prévention de la dépression passe d'abord par l'écoute, c'est-à-dire écouter ceux qui sont vulnérables. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux dont on a parlé, ceux qui ont des difficultés existentielles. Il faut avoir une bonne oreille pour eux. Et ça, c'est tout le monde est à, à mesure d'offrir une bonne oreille. On n'a pas besoin d'être un agent de santé. C'est la première phase de la, de la prévention de la dépression. Parce que une fois que ça c'est fait, c'est difficile dans notre environnement que euh, vous ayez l'écoute de quelqu'un qui en a. mais je parle de, même dans la famille, oui. de la famille, ceux qui nous écoutent à travers votre radio, qui le sachent. Quand quelqu'un a un problème, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Ça ne coûte, pas, ça coûte pas de l'argent de tendre son oreille. Ça, c'est la première chose. La, seconde chose, c'est à l'échelle nationale. Euh, lutter contre la pauvreté. C'est les les choses du développement d'une communauté. Voyez-vous Le chômage, l'emploi. Le chômage, l'emploi, la pauvreté. Enfin, ce que les. Voilà, exactement. Mais la prévention primaire euh, tout le monde fait, c'est l'écoute. L'écoute, là, on n'a pas besoin d'être un agent de santé pour le faire. Alors, ah et pour le traitement, pour des cas qui sont un peu graves ou moins graves, et qui ne sont pas allés dans les, centres de santé Pour les cas qui sont graves et qui sont moins graves, qui ne sont pas allés dans les centres de santé, ce qu'il faudrait faire, que les parents les amènent, si c'est possible. Je pense qu'ils doivent le faire, parce que la dépression a un traitement. Et si ça ne le fait pas, c'est la déchéance physique qui va aboutir forcément à la mort ou encore la mort par suicide. C'est différent des personnes qu'on voit dehors. Donc ici, l'État ne peut même pas faire des actions puisque c'est des gens qu'on ne voit pas. Dans un cadre global, ce que l'État peut faire, et c'est ce que l'OMS a tenté de faire, en lançant une des séances de sensibilisation. Le slogan de l'OMS, c'était la dépression, parlons-en. C'est pas par hasard, c'est qu'on n'en parle pas. Ou on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas. Ou on n'en parle pas parce que, bon, on pense que c'est pas nécessaire. Donc, l'État peut faire sensibilisation telle qu'on est en train de la faire, que les gens connaissent la dépression. C'est sûr que probablement qu'à partir de cette émission, quelqu'un va dire Ah, ce que j'ai entendu, est-ce que mon parent là n'est pas déprimé En ce moment, il faut l'amener. Je pense que c'est ça l'exercice. Euh, je profite aussi pour dire à. Je souhaite que la radio Kalangu soit porte-parole de d'un secteur qui constitue un secteur négligé, on parle de maladie négligée, un secteur un peu négligé. et, que, et, que, et que Kalango fasse la promotion, comme elle est en train de le faire, qu'elle le fasse davantage, pour que éventuellement qu'on ait des bailleurs au fond qui nous construiraient des, quelque chose de conséquent dans lequel on peut prendre en charge. Je note qu'au passage, qu'aujourd'hui, dans notre sous-région, on a évalué les différents systèmes de santé mentale notre système de santé mentale fait partie des meilleurs parce que nous avons une école qui forme les licenciés en soins de santé mentale, Si qui as le master en soins de santé mentale. Le Niger est pratiquement couvert. Mais ce qui les ressources humaines, il y en a. Oui. C'est structure, infrastructure qu'il nous faut maintenant. Oui, ça c'est beaucoup plus euh, du domaine de l'État. Merci beaucoup pour euh, ces, contributions, euh, professeur Douma Maïga Jipou, médecin-chef du service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey. Merci à vous, monsieur Sidou Kamadou, psychologue au service de psychiatrie. Nous avons parlé ensemble de la dépression. Bonne soirée.